fête anniversaire franchement neexoon na. ah merci beaucoup Asta merci. c'est bien sûr ça c'est trop bien passé. merci beaucoup c'est gentil mais Asta xam naa finalement mu mujj génn. ah oui dootoo. wuu dama sonn trop gisoo sama bëccëg mu xonkee xanaa. Ouais, mais bon ça se comprend da nga war a sonn ak sa fête bi tout ça. Mhm. mais de toute façon ça s'appelle hein. d'accord. On a un programme pour Benen yoon incha allah. d'accord. ok am nga sama numéro non. oui je l'ai. d'accord On tam jox naa sa bés on s'appelle incha allah. d'accord mon problème ok. Ştules. Ué. avoir besoin d'un petit massage, c'est tout. Massage

tamit boobu naka la mën a nekkee sa jëkkër di fàttali yow anniversaire kat nga nag yow amuñu ndëboo. wante yaakaar naa ne Boubacar mu ko bëgg ba tey may yëg ba tey la ne fan yëpp dafa nekk sama xel ma nekk sama xel baax a baax a baax su ma tëddee guddi sax moom lay xalaat bëgg naa dellu ak ñoom de wante dama ragal joojo ni ma daloon lay bañ mu dalaat ma mu toll nii moom xam fu may féete dama ragal torop Humain. Cathy, lii yëpp dafay jeex xam nga ne yow gënoon na fi metti ah te mo ngi ni fàtte nga ba commencé di xalaatat Boubacar man nak bu sama sawo, nga bal ko nga jéem waxtaan nak moom ngeen solution ñëppay def erreur boo def na erreur am ñëw na boo racheté wu dang kay bal. Nak yow so gënee japp mer bi sa bop rek ngay gaañ. xam li ma la wax man nag bëggoon naa nga may ko beneen seconde chance. Bouga bi boo ko amaatee une deuxième chance. mais pourquoi nit la ko nit yi yow dama ne durant toute ta vie mosoo def erreur nit bu ki baal la encore man daal bëggoon naa nga réfléchir si bu baax nga baal ko. te bañ a gaañ sa bopp aussi na boo kat jëkkër gënu ko de xam nga loolu nag baax Ouais. bah Ouais. Ça va Ouais, ça va. Je voulais que tu me fasses du café. J'ai pas compris. Je veux que tu fasses du café pour moi. Moi, a qu'à te faire du café. Bien sûr. Mais tu as qui est puis faire café pour toi Je suis l'ami de Boubacar. Tu viens, tu me réveilles comme ça Moi, a qu'à te faire du café. Ah. café Maintenant, tu restes l'ami de Boubacar. Moi, je suis l'employé de Boubacar. C'est comme ça, que ça se passe. Maintenant, il n'y a pas de café pour toi. Je peux faire pour Boubacar, je ne peux pas faire de café pour toi. Mais yo, les ken tout hein? C'est quoi Du yag. Mangi yek Boubacar mom Mais ça c'est vous vos charites C'est votre charite Vous, êtes en charite là-bas. Mais yo, yo, ramon sa hein. sama ban bopp wala ma bopp ici tu me dis sama sama bopp. <laughs> voilà maa ngi yegg wiyee Boubacar wax ak moom mu wax ak yow. su wax du bari mën nga ma defal café wala mënoo ma defal café. du ma def tus. du ma def dara xaaral ba Boubacar laa yee mu wàcc léegi. dina wax xaar ma même dina def plantation café jox la. non non xaaral yow dama amul doon. dama ko bëgg te maa ngi koy baalu ak ci kanamu ay mbokkam te xam naa ni man maa ko tooñ maa ko tooñ te maa ngi koy baalu kati sa bésu anniversaire seen biir kër ci sa kanamu ay xarit maa ngi lay baalu pour nga ñibbisi baal ma ak man maa la tooñ te yow ni nga mënee xandoor. ah damaa tiit. nu may def <laughs> dem fi ma dugal pamti pamti ma test ba sama yaram na tasar. xam-xam yu metti waaye yow it nga fi def mi ngi fi tege de. Ah, en tout cas mais naka moom. dégg saa saa yete ah. ngi soog a daj bu mel mais nag kaa dara. Mhm. Mhm. bi rey na ko parce que waxoon na ma ne kii su ko jàppee bàyyi ko du jóg kon ñoom jógaguñu

C'est ça, je suis venu te prévenir. Parce que tout, tout, tout ce qui était dans la cuisine, dans le café, surtout, j'ai tout ramassé, caché. Donc quoi a J'ai laissé la là-bas, dans le rec. C'est ce qui va. Boubacar, maman, Anam. Boubacar, mhm. d'où y a où les guides Ah, Boubacar, il avait où le soin oh? haut non la rek. Khale bou bi. Ils ont dormi ici Ñen ñoo fi fanan Deux filles là.

jaaree côté Ngor ma am lu ma fa récupéré vite fait rek rek. de du ma yàgg ñett laa lay dolli. Ah, waaw rek. 2000 madame. Eh, madame, il y a Eh, madame, faut pas dire des trucs. Eh, madame, pardon. Tu n'as même pas appelé Madame, j'ai appelé. Au nom de Dieu, j'ai appelé. J'étais sur boîte vocale. Sur quel numéro Ton même numéro là. Pourtant, ça marche toujours. Hein. Oui, j'ai appelé. J'étais sur boîte vocale. Il n'y a même pas longtemps, même. C'est trois jours là. Tu n'es même pas passé mon voir. Oui, madame, j'ai passé un jour. Je suis arrivé, on dit, madame est sortie. J'ai dit, eh. J'ai dit, je vais attendre. <laughs>

Ah. Nga ne Madame, faut pas penser comme ça. Hein. Ça c'est pas quelque chose des patrons hein. C'est pour son camarade. Madame, c'est pour son ami. Au nom de Dieu, madame, c'est pour son ami. C'est camarade de son ami. Son ami, il est dedans là-bas. Madame, madame, faut pas te fâcher. Madame, eh, madame, eh, madame, eh. Madame, oh. Eh. Là, là, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Yo lan hein? la y a quoi. y a quoi man jaaykat daal hein calme. si tu veux dalle, va dans ton cœur là-bas pour chercher daal. yo, oui nit Tu veux manger Tu veux manger chikiri Je vais te donner ça tout de suite. Mais yo, mais, mais, c'est quoi ces histoires là le matin comme ça Mais Boubacar, on va qui hein Patron, ils ont gâté. C'est gâté, c'est quoi Patron, ils ont, ils ont Nyagamuska, ils ont ils ont ça. Ils ont mélangé, les, les voilà, ils ont mélangé. Mais c'est quoi Patron, c'est gâté, potopoto même, c'est gâté. Qu'est-ce qui est potopoto C'est quoi c'est gâté Patron, c'est Nyagami, c'est gâté pour toi, c'est gâté pour moi. Mais qu'est-ce qui est gâté Voilà ça, c'est gâté